forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou et bienvenue à ce nouveau numéro du forum au micro Nafis Adam Sirfo. Le forum du studio Kalangou reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Je rappelle à nos auditeurs que depuis le début de ce mois d'août 2017, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux localités de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Dogondouti, de Walam, de Kablewa, de Dingimi et de Kwaretegi, dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 31 radios qui diffusent simultanément les programmes du studio Kalangu. La thématique de ce forum est intitulée Tri des emplois par les jeunes. Le travail, on le sait, est une activité professionnelle rémunérée un emploi, lu est un contrat passé entre deux parties, l'employeur et l'employé, pour la réalisation d'un travail contre une rémunération par l'exercice d'une profession, ou bien pour un travailleur indépendant, la réalisation de multiples contrats implicites ou explicites dans le cadre de l'exercice d'une profession. Cependant, il existe beaucoup de métiers, mais beaucoup d'entre eux peinent à trouver des candidats nigériens. C'est le cas de la peinture, la maçonnerie, la plomberie, le carrelage, le nettoyage des bureaux ou des domiciles, la cuisine et plein d'autres métiers qui rapportent à pourtant conséquence du refus de notre jeunesse d'embrasser ces multiples secteurs pourvoyeurs d'emplois, augmentation du taux des sans-emploi dans les rangs des bras valides du Niger, qui a pourtant un grand besoin pour sa construction et son développement. Par contre, d'autres métiers sont submergés par l'afflux du curriculum vitae et autres lettres de motivation. Pourquoi donc les jeunes sans emploi délaissent les métiers où la demande d'emploi est forte pour s'intéresser aux métiers où l'embauche reste sélective Sommes-nous face à des métiers contraignants Pourquoi les étrangers s'en emparent et réussissent sous le regard de notre jeunesse oisive ainsi, dans ce forum, nous discuterons de cette problématique du tri des emplois par les jeunes. Nous verrons ensuite s'il existe des structures qui recherchent, sensibilisent ou orientent les jeunes vers des activités qui peuvent leur sortir de la situation d'assister et nous tenterons de proposer des pistes à explorer pour amener les jeunes du Niger à se ressaisir pour s'impliquer dans la construction de ce pays qui a tant besoin de ces bras valides qui doit être en principe la principale richesse du Niger. Ainsi, pour débattre de toutes ces questions et de bien d'autres, nous recevons dans ce studio M. Kadoure Habibou, président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Madame Hélène Aïka, elle est directrice générale de l'entreprise Talent First, une entreprise qui recrute, forme et met à la disposition des institutions des employés qualifiés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin, monsieur Kombari Naloti, il est sociologue. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Chers invités, merci une fois de plus euh, d'être venus. Mais avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, je vous donne la parole pour nous parler brièvement de vos activités, vos différentes activités. Je commence par euh, Madame Hélène Aïka. Dites-nous, c'est quoi Talent First Dites-nous un peu plus sur les activités de votre entreprise. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler de mon cabinet. Mhm. C'est un cabinet de gestion de ressources humaines euh, dont la mission est euh, de, recruter, d'abord de rechercher, mhm. de recruter et de placer dans des entreprises qui en font la demande euh, des talents. talent first, c'est tout simplement mettre le talent en premier et le sigle est en anglais, tout simplement en français, euh, qu'est-ce qu'on entend par talent Talent en premier. Aujourd'hui, les entreprises recherchent plus des talents que de simples agents ou des employés. Mhm. Et donc, comment ça se passe euh, ce, ce recrutement, cette formation Comment ça se passe Bon, d'abord, nous avons euh, pour mission, comme vous l'avez dit dans l'introduction, mhm. de promouvoir le talent nigérien euh, c'est-à-dire que pendant de longues années, dans toutes les entreprises, vous verrez des expatriés, vous verrez que les entreprises sont obligées d'aller chercher la main-d'œuvre qualifiée mm. ou l'expertise ailleurs où cela se trouve. Et nous avons considéré qu'il y avait ces talents au Niger. Comment en faire la promotion C'est de pouvoir les rechercher et de les mettre à disposition. C'est une politique, c'est-à-dire mener la politique de la promotion du talent nigérien et dans tous les domaines et dans tous les secteurs et industries. Et donc votre entreprise, elle a déjà combien d'années d'existence Oh, seulement deux ans. C'est une jeune entreprise qui a démarré en 2016, en janvier 2016. Euh, bon, je suis DRH moi-même, euh, ce qui fait que j'exerce ma passion, j'exerce ma connaissance donc euh, du monde du travail et de l'existence de vrais talents euh, nigériens parce que j'en ai recruté beaucoup et j'ai dû aller les chercher parfois. Euh, là où ils sont. On fait aussi le renforcement de capacités. Ce qui fait la différence entre un simple employé et un talent, c'est tout simplement de le doter de capacités qui font qu'il performe mieux dans son lieu de travail. Mhm. A priori, quelqu'un qui va à l'école, qui a un master 2 en marketing, disons, euh, le master 2 en marketing ne suffit pas. Il faut que cette personne soit capable d'être un atout pour l'entreprise, car comme vous l'avez aussi dit en début, j'ai beaucoup aimé, mm. c'est que euh, la, ressource la plus importante pour une entreprise, mm. quelle qu'elle soit, une institution, qu'elle soit publique, privée ou même humanitaire, c'est vraiment sa ressource humaine, c'est le capital humain. Je reviendrai vers vous, Monsieur Kadaoré. Vous êtes le président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Parlez-nous de votre association, comment elle contribue à soutenir euh, ce secteur important. Merci bien. Euh, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir créé ce cadre et ces conditions pour que, euh, en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'acteur quand même euh, dans le milieu privé des affaires, nous puissions parler de ce que nous faisons. bon, aujourd'hui on parle, c'est vrai, de la question de l'emploi jeune donc l'ANGE qui est l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. C'est une association qui a été créée fin 2016. C'est une association qui œuvre pour euh, la promotion de l'entrepreneuriat jeune et qui œuvre également pour la création de l'emploi des jeunes. Parce que qui dit euh, création de l'entreprise, dit création de l'emploi. Donc, euh, euh, nous travaillons sur ces deux aspects au sein de notre association. Donc, c'est une association qui regroupe 250 et quelques jeunes entrepreneurs à la date d'aujourd'hui, qui évoluent dans divers domaines d'activité. Quelques exemples d'activités Bon, il y a plusieurs domaines. Je vais commencer d'abord par le mien. Moi qui suis président, je suis architecte, j'ai un cabinet d'architecture. Nous avons des entrepreneurs qui travaillent dans le BTP hydraulique. Nous avons des, entrepreneurs qui travaillent dans l'agro-business, d'autres qui travaillent dans le service. C'est-à-dire plusieurs euh, domaines d'activité. Euh, on touche pratiquement à tout et c'est ce qui euh, caractérise notre association parce que mm. c'est une association qui accueille D'accord. Euh, tous les tout jeunes entrepreneurs qui remplissent les critères d'adhésion. Mhm. Donc, euh, euh, nous invitons quand même les jeunes à comprendre bien ce que nous faisons et à adhérer massivement. Monsieur Combari, vous êtes sociologue. Quel rôle joue le sociologue dans la société Le sociologue joue vraiment un rôle très important dans la société, comme tous les autres hommes de sciences. Voilà, vous nous avez appelé sur un thème, euh, sur, par exemple, sur l'emploi des jeunes, mhm. sur le chômage. Donc, mhm. euh, chacun peut venir donner son avis en tant que, qu'on soit sociologue, euh, juriste ou agronome, chacun donne son avis par rapport à l'aspect. Quand on prend, par exemple, sur cet aspect, question d'emploi des jeunes, par exemple, sur cette question du tri d'emploi, du choix d'emploi, quand on prend par exemple la maçonnerie, la mécanique, la soudure, tous ces secteurs, donc nous avons une formation professionnalisante au niveau de l'État. Mais quand vous constatez à la fin de la formation, beaucoup de ces secteurs, beaucoup de ces jeunes n'arrivent pas à avoir un accompagnement financier. Moi, je pense que Kadour est là, il va confirmer ça. Beaucoup de ces secteurs, il y a la formation, les écoles professionnelles sont là. Mais à la fin de la formation, vous voyez beaucoup de jeunes qui ont fait l'électricité, la mécanique, la maçonnerie, tout cela se retrouve au chômage encore. Hein. Mm. Il n'y a pas de accompagnement financier au niveau de l'État. Donc ces jeunes se retrouvent encore euh, au niveau du chômage. Euh, de l'autre côté, même leurs frères qui sont de l'université ou bien dans les dans écoles professionnelles, eux, aussi, ils ont des situations aujourd'hui, le, le, marché du travail est vraiment saturé. Mm. Beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui sont au chômage. Mm. Partout où on dépose, vraiment, euh, la forte, il y a une forte demande. La forte demande est supérieure à l'offre. Donc voilà pourquoi beaucoup de jeunes sont aujourd'hui en chômage. Donc moi je pense que le financement, le financement dans le secteur professionnel doit eh, accompagner les jeunes à pouvoir réduire ce chômage. Madame Hélène Eika, euh, vous dites euh, que votre entreprise a déjà deux ans d'existence. En deux ans à peu près, vous avez combien de jeunes qui sont déjà euh, opérationnels Je ne recrute pas des jeunes que je forme et que je je garde euh, et dont je peux faire des statistiques. Pas du mm. tout. Je suis un cabinet de placement. Ça veut dire que les jeunes qui recherchent un emploi viennent déposer leur CV. Et les sociétés qui cherchent des employés me font des requêtes et moi je trie dans les CV que j'ai et je place les employés. À côté de cela, je fais aussi du, renforcement de capacités pour les sociétés qui veulent renforcer les capacités de leur capital humain déjà en place et je fais aussi un accompagnement, une sorte de coaching. Je recrute pour les banques, je recrute pour les Nations Unies, je recrute pour toutes les sociétés et même les plus petites entreprises qui veulent une personne, deux personnes, euh, une entreprise qui est dans l'agroalimentaire, mhm. qui recrute des ouvriers par exemple. Mhm. euh, les niveaux sont différents. Mais il est évident qu'il faut accompagner les jeunes qui déposent leur CV mhm. d'une sorte de coaching pour qu'ils comprennent comment il faut venir dans le monde de l'emploi et y rester. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail a changé. Les entreprises recherchent ce qu'ils recherchent, malheureusement, dans les politiques de promotion des jeunes, dans les politiques de formation professionnelle, malheureusement, euh, il n'y a pas une, une, certaine adéquation. Euh, je vais vous juste rapidement vous donner une, anecdote. J'étais DRH dans une grande société et je recherchais donc certains profils. Il m'est arrivé de rencontrer les, directeurs des grandes écoles, mhm. euh, créer des forums d'échange avec eux en leur disant mais formez-nous des gens employables. Parce que tous les, les jeunes Nigériens qui sortent de ces écoles, quand ils viennent, nous devons investir beaucoup plus en tant qu'entreprise dans, leur formation. Donc, il doit y avoir une sorte d'adéquation entre la formation qui leur est donnée et les besoins du monde du travail. Mhm. C'est ça qui peut réduire un peu la difficulté que euh, M. Combari a oui, justement, nous assistons maintenant à une situation très affligeante. Ces jeunes, ils trient les emplois. Euh, ils ciblent certaines entreprises qui souvent recrutent euh, difficilement. Mais qu'est-ce qui explique cette situation Oui, mais c'est normal, c'est mm. humain. Je veux dire, un jeune, euh, il a fait des études et parfois dans des conditions difficiles. Ses parents ont fait des sacrifices. Il a un master 2 en finance banque. il veut aller travailler dans une grande banque. Et les jeunes, mm-hmm. étant assez impatients, euh, veulent tout de suite arriver à un beau poste avec un beau bureau. Ça, c'est une question de mentalité. Vous comprenez Donc ça, c'est beaucoup plus complexe. Et je parle sous le contrôle du sociologue. Mm-hmm. Euh, c'est beaucoup plus complexe. Les jeunes sont pressés, d'où le coaching. Les jeunes n'acceptent pas tous les emplois. Ils n'acceptent pas de commencer. Aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise euh, moins jeunes peut-être que ceux qui adhèrent à, l'association des jeunes, mm. euh, qui vous diront qu'ils ont commencé comme techniciens dans leur entreprise et ils sont devenus des patrons de, des DG de compagnies de téléphonie. Ils ont commencé par vendre des cartes dans la rue. Mais aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas avoir cette patience. Ils n'ont pas cette mentalité de vouloir. C'est donc une question de mentalité. Je crois qu'il y a une grande partie. Monsieur Combari, euh, euh, comment est-ce que vous expliquez ce, choix des jeunes euh, Par rapport à donc, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on prend un jeune qui a un diplôme en, marketing, en communication, en gestion des entreprises, donc, euh, et qui appartenant à un groupe social, par exemple, à où il a deux ou trois de ses amis qui sont dans une grande entreprise, donc euh, qui se retrouve en deux ou trois mois de son salaire avec une moto, un véhicule. Donc, ça suscite une sorte de concurrence qui fait en sorte que le diplômé c'est de la concurrence. Ça, mm-hmm. ça, devient une sorte de concurrence. Et cette mentalité engendre la majeure partie de ces jeunes diplômés mm-hmm. à faire un choix. J'ai un diplôme en master en marketing, gestion, comptabilité, tout ça là. Donc, euh, donc ils fixent maintenant, ils, se donnent des objectifs. Ils ciblent. Ils ciblent. donc, euh, c'est de la concurrence qui fait en sorte que vraiment euh, la majeure partie des jeunes fait des tri d'emploi en fonction de leur diplôme. Or, vraiment, l'école n'est pas le seul moyen de réussite, mais malheureusement, la majeure partie des jeunes ne comprennent pas. n'est pas seulement, pas parce qu'on a un diplôme en licence, euh, en marketing, gestion des entreprises qu'il faut forcément attendre qu'on soit recruté par tel ou tel, cabinet. Mhm. Donc euh, là, vraiment, moi je pense que c'est une question de concurrence qui fait en sorte que beaucoup de jeunes cherchent à faire ce tri. Monsieur Kadouré pourquoi ces jeunes lorgnent le plus souvent du côté des métiers qui ont la cote, comme on le dit, et qui est, difficilement accessible Bon, je pense que euh, Madame Hélène Aïka, elle a répondu à cette <laughs> question, c'est bien normal c'est naturel quand même euh, pour euh, un être humain de d'espérer, d'espérer quand même euh, d'avoir des aspirations de bénéficier d'un emploi plus décent. Parce que c'est ça la, la, question centrale quoi, de la problématique de l'emploi. Est-ce que réellement ce que la personne exerce comme emploi d'accord, lui permet de vivre lui permet de se mettre à l'abri de la précarité, mmh. lui mmh. permet de répondre à tous ses besoins, aux besoins de sa famille, aux besoins de ses proches, à ses besoins personnels. Donc vous voyez, c'est pour ça que les jeunes ont tendance à laisser les petits métiers, vous les avez soulignés, mmh. l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, pour aspirer, d'accord, à des postes euh, dans des grandes entreprises. Cela est normal pour celui qui a euh, les compétences et également les qualifications qu'il faut. Il faut chercher euh, toujours meilleur de plus. Mais s'il mais, n'arrivent pas à accéder à ces métiers, autant revenir vers les petits métiers ou bien Bon, moi, je ne pense pas de cette façon quand même. Mhm. C'est-à-dire un jeune qui n'arrive pas à accéder à un bon poste dans une entreprise, de toute façon, il a fait un choix mhm. d'un domaine bien précis. S'il évolue dans la communication, il évolue dans la gestion, d'accord, dans la comptabilité ou quelque chose qui ressemble à cela. Moi, je pense qu'il y a une autre option mhm. qu'il peut choisir. Et ça, moi, je suis là même sur euh, ce plateau-là euh, pour représenter l'option création d'entreprise quand mhm. même. Voilà. Mhm. Donc s'il n'arrive pas à trouver un emploi de sang qui répond euh, à ses besoins, mais il peut penser à mettre en place une structure, peu importe euh, euh, euh, la, taille de cette structure-là. Le mhm. plus important, c'est de trouver quand même un environnement dans lequel tu vas mettre en épreuve tes capacités. Mhm. donc, les jeunes qui ne trouvent pas de l'emploi se versent quand même dans des problèmes. Euh, qui, qui, qui, qui minent quand même notre société. Par exemple, aujourd'hui, le problème de l'immigration, le mhm. problème de terrorisme que vous voyez là. Tout ça, mhm. c'est des problèmes qui sont liés au manque d'emploi, qui sont liés au manque d'accès euh, vraiment à, à, des postes permettant mhm. euh, aux jeunes de vivre normalement dans la société. Et vous l'avez souligné quand même dans votre introduction, c'est très important. si vous regardez aujourd'hui euh, le domaine que je connais très bien, c'est le domaine du bâtiment. Presque tous les différents corps de métier dans le domaine du bâtiment sont euh, euh, exercés par des étrangers. C'est ça, de nationalité étrangère. De, nationalité mhm. étrangère. Par exemple, vous cherchez un, électricien, un maçon, vous ne trouvez pratiquement pas de, maçon qualifié mhm. qui est nigérien. Mhm. Et donc cette situation, si elle perdure, elle risque de créer un véritable malaise social. Et on ne veut pas en venir à cela. Nous aimerions quand même que les, les, efforts soient mutualisés pour euh, faire en sorte que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est-à-dire, euh, tout ce que tu décides de faire dans la vie, si tu le prends sérieusement, tu l'exerces comme il faut, d'accord, en adoptant quand même le comportement qu'il faut, euh, il n'y a pas de raison à ce que tu ne réussisses pas. Nous poursuivons ce forum. De façon générale, on peut dire que l'emploi de qualité repose d'abord et avant tout sur la notion de sens. Idéalement, un travail est doté de sens quand il offre tout à la fois un sentiment d'utilité, des occasions d'apprentissage, une appartenance sociale, une possibilité de se réaliser, un revenu décent, un statut, des perspectives d'évolution ou à tout le moins une sécurité d'emploi. Je reviens vers vous, Monsieur Kadouré. Quel quels sont les profils que les différentes entreprises que regroupe votre association recherchent, surtout chez les jeunes Bon, ça dépend du type euh, d'activité euh, qui sont développées dans les entreprises. C'est-à-dire, comme je l'avais souligné, notre euh, association regroupe des jeunes entrepreneurs évoluant dans divers domaines d'activité. Mm. Donc, je pense que le profil, quand même, de manière générale, qu'on cherche, je, suis un jeune diplômé, c'est d'abord euh, euh, la qualité de la formation qu'il a reçue. Voilà. Et je pense que la qualité de la formation qu'il a reçue se traduit à travers son comportement, d'accord, face mhm. euh, au poste qui lui sera éventuellement accordé. Et cela, euh, je parle sous le contrôle, <laughs> bien évidemment, de Hélène Aïka, qui est, qui est, qui est, bien indiquée quand même pour détecter mm. les talents. Mm. Voilà. Donc, euh, dans nos entreprises, euh, c'est vrai que, bon, euh, la plupart des entreprises portées par les jeunes ici, c'est des petites entreprises, bon, à la limite, moyenne entreprise, quoi. Donc, mmh. deux, trois employés, c'est-à-dire maximum cinq employés. On a mm. des entreprises dans notre associations qui ont jusqu'à 10, 15 mm. employés, d'autres mm. plus. Ça dépend du, domaine d'activité. Mais quand même, ce que nous cherchons, c'est les jeunes, d'accord C'est répondre vraiment efficacement aux tâches qui leur seront accordées. Parce qu'une entreprise qui est mise en place, si elle manque de ressources humaines de qualité, elle ne peut pas vraiment opérer normalement et donc créer de la richesse. à, la, date d'aujourd'hui, est-ce que euh, vous recevez beaucoup de jeunes euh, Bon, au niveau de l'association, c'est vrai que c'est un volet que nous, nous développons. Je vous ai dit que notre association a été créée fin 2016, donc même pas six mois mm-hmm. d'existence, mais on a fait quand même assez du chemin dans ce, domaine-là. C'est-à-dire, à notre niveau, nous ne gérons pas directement la question liée à l'emploi des jeunes, mais mm-hmm. nous encourageons les membres de l'association à recruter de jeunes. Et donc, euh, euh, les recrutements se fondait la création de l'entreprise. Parce que mhm. je pense que pour créer une entreprise, il faut un minimum euh, d'un emploi. Du coup, toute entreprise créée, si je prends le chiffre 250 et quelques jeunes entrepreneurs que je vous ai avancé tout à l'heure, vous voyez, il y a déjà 250 emplois. Il y a déjà 250 emplois qui sont là-bas. Alors que dans les entreprises, là, il y a un minimum de 2, 3 employés qui sont là. Voilà. Bon, très souvent, mhm. les jeunes qui, qui font partie de notre association, c'est des jeunes qui évoluent dans le domaine de, la formation qu'ils ont, qu'ils ont reçue. reçu. Et donc, du coup, vous voyez qu'ils sont les acteurs principaux, qu'ils sont au centre du développement de la croissance de l'entreprise avant qu'elle euh, soit solide. Quoi. Mm. Et donc, du coup, ils s'accompagnent d'autres jeunes, d'accord, ayant des compétences quand même euh, complémentaires pour faire avancer bien les choses au sein de mm. la société. Madame Hélène Aïka, euh, quels sont les différents profils de, dossiers que vous avez au niveau de votre cabinet mm. j'ai tous les profils. Hein. Mm-hmm. J'ai de, de chauffeurs, de manœuvres, d'ouvriers. Le cabinet reçoit chaque jour des, jeunes qui viennent euh, déposer leur CV. Nous avons un site web sur lequel il y a un lien où ils peuvent déposer les CV. Et lorsque nous recevons une requête d'une entreprise, on a des fichiers par catégorie, si c'est dans le domaine de l'agroalimentaire, si on cherche quelqu'un dans le marketing, la, vente, mm. euh, un, ingénieur euh, dans les télécoms, etc., on a des, ce qu'on appelle des, des, des, des fiches, des mm. fiches euh, euh, de, de, profil. Et donc on va les chercher là et on les propose. Donc évidemment, on fait une sélection et la sélection, elle est en fonction du besoin de l'entreprise. Mm-hmm. Euh, donc, euh, jusqu'à obtenir euh, récemment, on vient de recruter huit personnes pour une nouvelle banque qui se met en place. Il faut chercher les profils. Parfois, c'est pas ceux qui déposent qu'on prend. Parfois, il faut aller débaucher. Parfois, il faut. C'est ça le monde du travail. Les télécoms mm-hmm. recherchent des ingénieurs. Mm-hmm. Ils recherchent des gens dans le marketing. Ils recherchent des commerciaux qui font le terrain. Les entreprises d'agroalimentaire recherchent parfois des ouvriers, ceux mm-hmm. qui font. Euh, l'eau par exemple, ils mhm. recherches des ouvriers pour leur usine, mais ils recherchent aussi des responsables. C'est-à-dire que c'est tous les calibres qui sont recherchés mhm. euh, selon le, domaine. Mhm. Monsieur Combari, euh, ces jeunes qui ne s'intéressent pas aux petits métiers, peut-on dire qu'ils fut le regard moqueur de la société Étant diplômé, un jeune fille petit métis, c'est-à-dire ces petits métiers sont considérés comme étant les métiers destinés aux déscolarisés ou bien aux sous-diplômés. Mm. Donc, euh, c'est, par exemple, quand on prend ceux qui ont fait la mécanique, euh, la maçonnerie, donc, euh, ils sont considérés comme étant ceux qui ont été déscolarisés et qui ont été récupérés par l'école. Donc, étant diplômés, certains diplômés ont du mal à s'inscrire dans cette logique d'emploi parce que c'est des emplois un peu, euh, comme, on a, comme, comme, je l'ai dit bientôt, d'autres, de suite, c'est des emplois considéré comme étant des sous-emplois qu'un diplômé ne peut pas euh, s'inscrire dans cette logique. Donc c'est la société, c'est l'image que la société attribue à ces emplois. Donc sinon vraiment c'est c'est pas un problème, c'est pas un problème. Étant jeune, quand on n'a pas d'emploi aujourd'hui, nous sommes à une saturation du marché d'emploi où il y, a, il y a, un surnombre de diplômés et, et moins d'emplois attribués sur le marché d'emploi. Donc, euh, la jeunesse, les jeunes sont obligés de revoir, donc euh, exercer n'importe quel métier, ne serait-ce que vraiment assurer quelques quelques, donc, au moins assurer sa survie et se prendre en charge tout Mhm. Tout cela vraiment est nécessaire. Mhm. Donc voilà, moi je pense que les jeunes diplômés ne doivent pas seulement fixer le jeu sur les emplois de luxe, revenir sur, les autres métiers aussi, c'est pas un problème. Donc on ne serait-ce qu'attendre d'ici peu. Donc euh, voilà. Oui, si vous permettez. Hein. C'est vraiment une mentalité qui a été entretenue pendant longtemps. Aujourd'hui, mhm. je suis choquée quand un jeune refuse un emploi simplement parce qu'il estime que il a fait une grande école. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'emploi des étrangers. Il faut voir euh, les petites entreprises qui font partie de votre association. Quand votre entreprise, quand la mienne recherche euh, un plombier, un mécanicien, un électricien, il va chercher qui Nous cherchons les meilleurs. Nous cherchons les meilleurs. Et les meilleurs sont ceux qui ont l'humilité d'assumer, j'allais dire, leur métier. Mm-hmm. Pourquoi être maçon Pourquoi être euh, mécanicien serait moins gratifiant. C'est un métier. Et c'est un métier dans lequel on gagne beaucoup d'argent. Mais, mais qu'est-ce qui Les gens de mon âge savent que, les, Nigériennes, les Nigériennes n'aspirent pas à ces gens. Une question de mentalité, c'est mhm. une question d'éducation euh, à la maison, ce qu'on entend. Euh, à l'école. Et je parle encore sous votre contrôle. Les sociologues sont là pour réfléchir sur l'évolution anthropologique et tout ça de la société nigérienne. Nous avons des jeunes et j'en reçois chaque jour dans mon bureau à qui je dis mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ceci En discutant avec quelqu'un qui est venu et qui a fait une licence en gestion des entreprises, à la limite, une licence en gestion des entreprises ou en communication des entreprises, ne veut rien mhm. dire. Mhm. Ça ne vous a doté de rien du tout. Et là, c'est la DRH qui parle. Et lorsque j'ai mon entreprise et que je recherche quelqu'un pour un travail de communication ou de quoi que ce soit, je vais regarder le profil et le talent que cette personne a, mhm. beaucoup plus que son diplôme. Aujourd'hui, on, est, on va au-delà des diplômes. On va au-delà de ce que les grandes écoles déversent sur le terrain et qui ne fait que remplir la cohorte de chômeurs. Parce que quelque part, les jeunes veulent des raccourcis, parce qu'ils ont des modèles et pas les bons modèles. Qui admire euh, le maçon togolais que moi je prends parce que tout simplement il me fait du bon travail et qu'il a l'humilité pour chercher à gagner le peu que moi je peux lui offrir. Mm. Qui l'admire mm. Personne ne l'admire. Pourtant, il est admirable parce qu'il il nourrit sa famille, parce qu'il envoie de l'argent à sa famille au village dans son pays. et j'admire ces Nigériens qui sont partis en exode. J'en ai rencontré quelques-uns dans les autres pays qui font des métiers que jamais ils ne feront chez eux. Ça, c'est une question de mentalité. Mm-hmm. Alors, vous savez, le problème est beaucoup plus complexe. Et vous, le sociologue, vous le savez mieux que moi. Il est, beaucoup plus complexe. Au Nigérien, donc, euh, les parents ont euh, Alors, on, fait, on fait ah. un diplôme. Mm. Un diplôme ne vous rend pas capacitant. Un diplôme ne vous rend pas, ne fait pas de vous une compétence. Mm-hmm. Je suis désolé. Monsieur Kadouré, qu'est-ce que vous avez ajouté sur cette question Je pense qu'il faudrait bien faire la part des choses. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, moi quand même, d'après l'expérience euh, que j'ai, j'ai 10 ans d'expérience en termes de gestion d'entreprise. Très souvent, le problème que je pense que les jeunes rencontrent, c'est le problème même d'avoir l'emploi. Hein. Ce n'est pas le problème de refuser d'accord, un emploi qui ne vaut pas le diplôme que vous avez. Il y a même le problème d'accès à l'emploi, mhm. tout court. Parce que moi, euh, quand même, dans mon cabinet, j'ai eu à mettre en place quand même des personnes qui ont des qualifications supérieures aux tâches quand même qu'elles exercent. Donc, elles ont accepté. Je n'ai pas trouvé de problème. Et petit à petit, il n'y a pas de problème. Ils peuvent avoir des reclassements. Ils peuvent y avoir des reclassements mhm. et de, de, de, de l'évolution au sein de l'entreprise. Mais le problème, c'est beaucoup plus axé sur l'accès à l'emploi. Mm. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller faire un master et on le demande de se réduire euh, quand même euh, à un manœuvre, ah, à un oublié, c'est pas possible. <laughs> Mais mm-hmm. ça, ça me renvoie dans le Niger d'avant, où il y avait un recadrage, où il y avait eu un recadrage, d'accord Tout était bien cadré, c'est-à-dire bien avant même d'envoyer les étudiants D'accord Pour les formations, les mm. besoins étaient identifiés, clairement, identifiés. Il y avait une programmation. Donc, aussitôt que vous arrivez sur le terrain, d'accord, sur le marché du travail, on sait ce que vous allez faire d'avance. Mais bon, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu vraiment le, nombre très important des jeunes, des hein, jeunes mm-hmm. c'est pas évident de travailler de cette façon. Mm. Mais quand même, on peut prioriser certains secteurs. Voilà. Parce qu'il y a des secteurs qui sont porteurs. Ce euh, c'est pas que le travail manque, mais c'est des spécialistes dans des domaines bien précis qui offrent de l'emploi qui manque. Voilà. Par exemple, c'est important de parler de ça. Aujourd'hui, c'est quoi On a l'habitude quand même de donner des contrats de main-d'œuvre à des maçons, des contrats de 25 millions, 30 millions pour mm. construire un immeuble. Et je suis certain que dans ces 25 millions, 30 millions, sur 6 euh, mois, 8 mois, c'est-à-dire il y a un minimum d'une marge bénéficiaire de 5-6 millions. Mm. Donc vous voyez ce que ça peut produire pour les jeunes qui s'organisent. Aujourd'hui, c'est quoi On n'a pas besoin, si vous voulez, d'être maçon pour euh, euh, relativement exercer la profession de maçon, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait gestion de l'entreprise. Mais il peut créer une entreprise qui met à disposition des maçons. C'est ces étrangers qui arrivent, qui ont une qualification meilleure que les nationaux. Mais on peut les utiliser dans ce sens. Et ça permettra quand même de créer d'autres emplois à côté. Parce que pour gérer toute euh, cette main-d'œuvre, tout ce personnel-là, on a quand même besoin mm-hmm. d'un staff. Donc vous voyez, c'est-à-dire, moi, ce que je pense, c'est beaucoup plus les idées qui manquent, les motivations au niveau des jeunes que nous sommes. Parce que les quelques peu des jeunes qui ont eu le courage de mettre en place des structures, eh, la plupart ont réussi, si vous êtes sérieux quand même dans le milieu. Vous réussissez sans aucun problème. Mais si vous, vous, restez sans pour autant vouloir créer, sans avoir l'esprit créatif, sans avoir l'esprit de l'entreprise, mm. mais vous allez rester comme ça. Donc c'est pour ça que nous, nous encourageons quand même les jeunes de faire de cette idée d'être toujours employé. C'est bon l'emploi parce que vous ne pouvez pas apprendre à faire quelque chose tant que vous ne commencez pas par être employé. cest celui qui fait du bon chemin, c'est celui qui a bien appris. Pour être un bon chef, il faut savoir obéir. C'est très important. Mais c'est un passage, mais quand même pas une finalité. C'est pour ça que nous, nous encourageons les jeunes euh, à avoir beaucoup plus l'esprit d'entreprise ça serait peut-être la solution pour euh, mhm. cette problématique. Monsieur Kombari, vous êtes d'avis qu'il faudrait vraiment euh, un esprit créatif euh, pour ces jeunes Bien sûr, bien sûr, mhm. dans cette situation de chômage. Donc moi, je pense qu'un jeune diplômé qui, fait deux ou trois ans en train de chômer, donc au lieu toujours d'aller déposer le CV, attendre maintenant, moi, je pense qu'il faut penser à l'auto-entrepreneuriat monter un projet et aller déposer au lieu d'attendre toujours déposer un CV, attendre 6 à 1 an. Moi, je pense que la jeunesse doit maintenant penser à l'auto-entrepreneuriat. Cela permettra, moi, je pense que de réduire le chômage. Puisque aujourd'hui, hein, comme il le dit, M. Kadour, beaucoup de jeunes ont compris qu'il faut plus jamais attendre le résultat du CV. Il faut s'unir maintenant et monter des projets et chercher le financement. Le financement aujourd'hui avec euh, l'association, moi, je pense qu'il est facile d'avoir un financement, même s'il faut attendre 6 à 1 an. Après le financement, moi, je pense que ça peut réduire le chômage. Mhm. Maintenant, ce n'est plus, une n'est question d'attendre d'être appelé par un cabinet ou autre. Mhm. C'est l'auto-entrepreneuriat. Moi, je pense que c'est la solution au chômage des jeunes aujourd'hui. Mhm. Madame Hélène Hélène quelles sont euh, les difficultés auxquelles vous êtes le plus souvent confrontée euh, dans ce travail-là Bon, ce dont nous parlons, c'est-à-dire que les jeunes veulent euh, quelque chose qui réponde à leurs aspirations, c'est clair. Mais je crois que, pour revenir à ce qu'on disait, euh, je disais que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Mm. Quand vous dites de créer une entreprise, est-ce que les jeunes se méprennent sur ce que ça veut dire Moi, je suis une jeune femme, je n'ai pas trouvé du boulot, mais il faut que je vive quand même et que je gagne un peu. Est-ce que si je fais ma petite entreprise euh, alimentaire et que je mm-hmm. fais euh, les farimassa et tout ça, <laughs> les les capacités que met en œuvre une vendeuse de massa qui est organisée. Hein. J'en connais une qui a commencé à vendre des petites choses dans la rue et qui mhm. aujourd'hui a un magasin et qui est devenue fortunée. Je crois mhm. que tout le monde la connaît. Mais quand on dit de créer une entreprise, c'est vraiment la petite entreprise qu'on a. Et ça, ça demande d'avoir des compétences et des skills. Seulement, je dis encore une fois, il faut que nous changions notre façon de penser et que nous sachions ce que nous voulons. Quand on dit que nous avons des aspirations, on voudrait subvenir aux besoins de nos familles, on voudrait gagner de l'argent et que nos diplômes là, avec mon diplôme, je suis obligée, j'ai le droit de réclamer. Mhm. Aujourd'hui, nous ne nous l'aurons pas. Les financements, les financements, c'est un rêve. Nous sommes dans un contexte où ce n'est pas facile que l'État finance des entreprises. Nous avons une, maison de l'entreprise aujourd'hui et j'aimerais voir ses vraies capacités à travailler avec une association comme la vôtre, à sélectionner des projets. J'ai entendu parler du lancement de concours. Je ne sais pas ce que ça donne. Il faut d'abord travailler les grands, en associant les grandes écoles et même l'université. Aujourd'hui, il faut que nous préparions l'avenir. Nous évoluons qu'on le veuille ou pas. Hein. Mm. On peut rester en retrait et là on est largué. Les entreprises avancent. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, même la vôtre d'architecture. Aujourd'hui, elle existe au Niger, mais je suis désolée, elle fonctionne selon des règles universelles, mm. des règles globales. Mm. Vous allez rechercher les gens qui vont venir travailler pour vous et qui vont performer et qui vont vous donner des résultats. Vous ne reprendrez pas les gens par philanthropie. Il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a plus de programmation des cadres. Merci, madame. Alors, euh, monsieur de... de votre côté, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le travail que vous faites Bon, euh, avant de répondre à cette question, Je vais, un peu répondre mhm. à Madame Aïka par rapport euh, à la collaboration qui existe quand même entre nous et la maison de l'entreprise, qui mhm. est une structure euh, d'accompagnement et d'appui au PME qui a été mise en place par la Chambre de commerce. Et je pense que euh, vraiment avec l'association des jeunes entrepreneurs, cette structure a des très bons rapports. Euh, pour l'organisation de la compétition sur les plans d'affaires, on a été associé de très près. Et je pense que les résultats ont été publiés la semaine passée. Il y a eu vraiment un grand nombre de jeunes qui ont été sélectionnés sur la base des projets bien montés qui seront financés d'accord, à hauteur de 2 à 25 millions. Je mm-hmm. pense que ce programme-là, qui est financé par la Banque mondiale, qui a d'ailleurs promis de doubler le montant de l'enveloppe, sera quand même un projet porteur pour les jeunes au Niger. Mm-hmm. Je reviens à la question de, madame. Bon, les difficultés que les jeunes entrepreneurs euh, euh, rencontrent, voilà, bon, d'abord, c'est les difficultés liées à l'accès à la commande publique. Mm-hmm. Il est un peu très difficile pour les jeunes entrepreneurs d'accéder à la commande publique. Parce que si vous n'accédez pas à la commande publique, vous ne bénéficiez pas des marchés vous permettant de travailler et de produire de la richesse. C'est extrêmement difficile pour un jeune entrepreneur de recruter, mm. d'inviter, de, de, prospérer. Donc, mm-hmm. il y a ce problème-là. Il y a le problème euh, encore euh, lié à nos rapports avec euh, les, services. Mm-hmm fiscaux. Ça, c'est vrai que tout celui qui adopte un bon comportement dans son entreprise n'aura pas de problème avec le fisc. Mais très souvent, le fisc ne comprend pas le jeune entrepreneur. Mm-hmm. Les jeunes entrepreneurs, souvent, c'est des personnes qui se lancent sans pour autant avoir un accompagnement solide. Ils ne sont pas toujours écoutés par les banques. Mm-hmm. Souvent, ils commencent avec euh, euh, des fonds propres, leurs propres moyens. Donc, du coup, ils ont des difficultés quand même euh, liées aux finances. Alors, pour en finir, Monsieur Kadoré, selon mm-hmm. vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que les jeunes Nigériens évitent de trop trier les emplois Bon, je l'ai dit, il faudrait recadrer un peu les choses. Mm-hmm pour euh, éviter le tri de l'emploi. Parce que quand il y a tri, euh, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est bon et quelque chose qu'on estime être mauvais. Si aujourd'hui tous les emplois payent, tous les métiers payent l'homme, moi je pense que cette histoire de tri-là ne va pas se poser. Donc il faut faire en sorte à ce que les jeunes quel que soit le domaine dans lequel ils exercent leur activité ou bien dans lequel ils travaillent, puissent gagner décemment leur vie. De cette façon, je pense que la solution trouvera une réponse. Monsieur Kombari, euh, quels sont les conseils à l'endroit de cette jeunesse nigérienne afin qu'elle puisse être utile et trouver de quoi être utile pour la production Donc, euh, moi, je pense que la, euh, donc, la jeunesse aujourd'hui doit tourner le dos au tri, au tri d'emploi. Mhm. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de valoriser ces secteurs, ces secteurs d'emploi à travers une, une rémunération vraiment un peu et qui peut au moins aider ces jeunes à, gagner leur vie en, leur donnant un salaire un peu maximum. Donc euh, moi je pense que les jeunes aujourd'hui ne doivent pas rester à faire des choix d'emploi puisque aujourd'hui le marché d'emploi est saturé. Donc le secteur d'emploi, quel que soit le secteur, essayez euh, de s'adapter et en attendant d'avoir un autre emploi. Je termine avec vous, Madame Hélène. Quels sont vos conseils à l'endroit de la jeunesse nigérienne Oui, euh, le travail, les efforts on ne parle pas beaucoup d'efforts. On parle je veux gagner de l'argent. On dit je veux gagner de l'argent. Mais les efforts, c'est ça qui produit l'argent. Lorsqu'un jeune travaille dans une société, il peut avoir un bon salaire si l'entreprise prospère et gagne beaucoup d'argent. Je parle sous votre contrôle. <laughs> Donc, euh, je, mes conseils à la jeunesse, c'est que les études, c'est bon, il faut s'accrocher, il faut chercher le boulot et accepter le boulot et accepter de commencer par le début. Mm. Ne pas chercher des raccourcis parce que le raccourci aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétition. Vous avez appelé ça concurrence. Il y a une grande compétition. Il y a de plus en plus de jeunes qualifiés, compétents, qui en veulent et qui sont un peu pressés. Et donc la compétition est rude. Il faut que les jeunes se surpassent dans tous les domaines. Se surpasser, ça ne veut pas dire devenir directeur d'entreprise du jour au lendemain. C'est d'être employé pour acquérir l'expérience pour connaître le, monde dans lequel on veut exercer. Donc les jeunes sont, sont là, ils font de bonnes études. Si les grandes écoles euh, aussi peuvent revoir un peu leur politique et leur curricula et s'adapter au monde du travail, former aussi bien des cadres que des gens qui vont valoriser les petits métiers, ce mhm. qu'on appelle les petits métiers et qu'on n'admire pas suffisamment et qui font beaucoup d'argent. Merci à vous et c'est sur ces conseils pratiques que prend fin le forum de ce soir. Nos remerciements vont à l'endroit de nos invités, M. Kadoure Habibou, président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Merci M. Kadoure d'être venu. Madame Hélène Aïka, elle est directrice générale de l'entreprise Talent et Monsieur Kombari Naloti, sociologue. Merci à vous de votre participation. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être restés à l'écoute du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.